forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème politique africaine, comment perpétuer les valeurs et idéaux incarnés par les leaders panafricanistes. L'histoire du continent africain a connu des épisodes très mouvementés et pleins d'enseignements, de la période précoloniale aux indépendances jusqu'à ce que souffre le vent de la démocratie au début des années 1990. Toutes euh, ces époques ont vu émerger des valeurs, des idéaux incarnés par des figures devenues emblématiques de l'histoire. Il s'agit de Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Sekou Touré de la Guinée, Patrice Lumumba du Congo, Nelson Mandela du pays arc-en-ciel, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, du guide libyen Mohamed Al-Qadhafi, du Burkinabé Thomas Sankara, etc., etc. Avec nos invités, nous allons regarder dans le rétroviseur pour ressasser ce que ces grands hommes ont posé comme acte et qui a jamais permis de graver leur nom dans l'histoire politique de l'Afrique. Mais aussi, ce forum permettra de dégager des idées à même de dire comment perpétuer les valeurs et les idéaux incarnés jadis par ces hommes au profit des générations d'aujourd'hui et de demain. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Mamansani Adamou, président de l'ORDN Tarmamoua et Alter mondialiste. Mamansani Sani Adamou, bonsoir. Au téléphone, nous avons Dr Bounti philosophe et enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Docteur Bounti bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Moumouni Meiga, président national du club Ahmed Sekoutouré au Niger. Abdoulaye Moumouni, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Docteur Bounti donnez-nous quelques exemples parmi ces figures qui, à travers leurs actes, ont marqué l'histoire de leur pays et de l'Afrique de façon générale. De manière incontestable, je pense que le cas de Kwame Nkrumah est emblématique. Vous savez, tout le combat qu'il a d'abord mené pour euh, l'indépendance de son pays et en plus le combat qu'il a mené pour euh, l'indépendance des Noirs, tout cela. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le travail euh, précurseur de Cheikh Anta Diop qui a démontré que, en fait, pour aller vers notre union il faut d'abord euh, remémorer le passé. Et ce passé, selon Cheikh Anta Diop, est un passé égyptien. En fait, l'Afrique noire est d'abord euh, une Afrique euh, pharaonique. De ce fait-là, les Africains semblent, selon lui, oublier qu'il y a une continuité, d'une certaine façon, historique entre l'Égypte antique et nous. Par conséquent, Cheikh Anta Diop considère qu'il y a un certain nombre de facteurs que nous devrons revisiter afin donc de comprendre pourquoi cette volonté des Africains d'aller vers l'unité. La première des choses, il dit que le Sahara semble devenir euh, une sorte de rupture physique entre les Africains, mais que les Africains doivent se remémorer que ce Sahara n'a pas toujours existé et que, d'une certaine manière, le Sahara ne doit pas être un obstacle à l'unité africaine dans la mesure où les Africains ont la même origine. Aucun peuple africain, selon Cheikh Anta n'est un peuple envahisseur. Ils ne sont, on ne n'est pas venu d'ailleurs. L'Afrique est le berceau de l'humanité et de ce fait-là. Donc, ces éléments doivent contribuer à nous galvaniser pour aller revisiter le passé et donc euh, construire quelque chose pour l'avenir. Maintenant, ceux qui concerne le cas de Foucault vous savez que avant les indépendances, il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Selon lui, pour comprendre un peu l'Afrique d'aujourd'hui, il faut retourner dans le passé aussi, surtout comprendre que l'Afrique est constituée de certain nombre de strates. Ces strates-là, c'est quoi C'est qu'il y a une Afrique païenne, il y a une Afrique sous colonisation, donc qui est devenue une Afrique plus ou moins occidentalisée, et il y a une Afrique chrétienne et une Afrique musulmane. Donc, dans ces conditions, à partir du moment où on fait l'analyse de ces Afriques-là, il considère qu'on peut bâtir quelque chose de solide pour l'avenir. Donc, d'une certaine manière, moi, je me dis que aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de leadership. Vous savez que ces grands leaders-là, ils ont en tout cas surtout pour Kourouma, il était à la base de la création de l'Union africaine. Et vous savez tout le combat qu'il a mené pour qu'on n'aille pas vers des États microscopiques, mais vers plutôt un État fédéral africain. Malheureusement, il n'a pas été suivi et vous savez ce que cela a donné en réalité comme euh, résultat. Mais aujourd'hui, nous savons que, en tout cas, il y a une crise au niveau des leaders africains, de sorte qu'on ne sait même plus où on va. Tantôt, on, <laughs> va dans le d'alignement, tantôt, on va vers le capitalisme, tantôt, on va dans le socialisme. En tout cas, vous voyez que l'Afrique aujourd'hui aujourd'hui à vue. Voilà donc euh, de manière ramassée ce que je peux dire par rapport à ces grands leaders-là. Docteur Buntigallo, vous l'avez rappelé, ces hommes étaient-ils compris à l'époque par leur peuple ou par les autres Je pense que, euh, vous savez, euh, Nkrumah était en avance sur, les leaders de son temps. Moi, je crois que Nkrumah avait au moins 50 ans, 50 ans d'avance sur, sur la plupart des chefs d'État de son époque. Vous savez, les résultats, c'est que Nkrumah a été évincé du pouvoir en 1972 pendant qu'il était en voyage en Roumanie toujours est-il qu'il a jeté les bases du Ghana moderne. C'est lui qui a donné un certain nombre d'infrastructures à ce pays-là et je pense que les Ghanais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ne peuvent pas l'oublier. La mémoire collective perdue. Maintenant, à l'intérieur, il y a eu un certain nombre de problèmes parce que tout le monde n'était pas socialiste et n'était pas convaincu de l'unité africaine comme lui. Et vous savez que dès 1972, le lieutenant général Ankara l'a renversé avec l'aide de la CIA et, donc euh, des États-Unis. Mais toujours est-il que ces grands leaders, en tout cas, à l'époque où ils ont vécu, ils n'ont pas tous été compris. chez Kantadio vous vous rappelez, Cheikh Anta Diop n'enseignait plus à l'université parce que Senghor a décidé de le chasser de, l'université pour le confiner à l'Institut fondamental d'Afrique noire parce qu'il considère que les idées que Cheikh Anta Diop développait étaient contraires en tout cas à ses idées à lui. Et Cheikh Anta Diop, vous savez qu'il a été rétrogradé donc de professeur à assistant par les mêmes gens qu'il a enseigné sous de, Senghor. Donc c'est vous dire que ce sont des gens qui ont été incompris, mais ils sont cramponnés à leurs idées et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que leur rendre grâce en nous remémorant de ce qu'ils ont fait et peut-être les générations à venir vont s'inspirer donc de leur parce que les générations actuelles-là, apparemment, elles semblent être complètement dépaysées. Je pense que c'est sincèrement ce qu'il faut, dire. Je, je, pense, je remercie vraiment le studio Kalangou pour euh, l'honneur que vous me faites euh, d'intervenir dans ce débat qui m'est cher et j'espère quand même que ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, vont tirer quelques éléments au moins de ce rappel historique. Maman Sani Adamou, parmi ces figures, quelles sont celles qui, pour vous, ont légué des héritages à même d'être utiles aujourd'hui et pourquoi Je voudrais d'abord euh, vous remercier pour cette opportunité que vous, donnez, vous me donnez d'intervenir dans vos débats. Cela dit, la plupart des gens que vous avez, des personnalités que vous avez citées, ont chacun à sa manière posé des actes qui sont susceptibles d'être euh, utilisés comme euh, levier si on veut faire en sorte que le continent euh, se développe. On a parlé de Cheikh Diop. C'est vrai que Cheikh Anta Diop a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a donné un fondement à la lutte que menaient les, Africains en montrant d'abord qu'ils ont la même origine, ils ont la même racine, en montrant que ces peuples qui se battent euh, aussi bien en Afrique que dans la diaspora pour euh, faire reconnaître leur humanité, que ces peuples-là ont su produire par le passé des civilisations brillantes, en montrant que les Africains doivent s'inspirer de l'exemple de ces peuples-là s'ils veulent construire quelque chose de solide. Et donc, euh, Cheikh Diop a, avec euh, les fondements culturels, euh, économiques et culturels d'un État fédéral en l'Afrique, ou bien avec euh, antérité des civilisations nègres, euh, a montré, a créé quelque chose, une rupture. Parce que jusque-là, c'était reconnaissance de l'homme noir, de sa humanité, de ses droits, libération, émancipation. Et puis voilà une intervention qui vient bouleverser, donner un fondement scientifique à un combat et depuis lors, on peut dire qu'il y a eu un avant et après chien. Donc autant on peut se féliciter de l'héritage que le legs plutôt de Cheikh Anta Diop, autant on peut dire que euh, Kwame Nkrumah a été euh, un grand visionnaire puisque euh, dans la tradition des congrès panafricanistes qui ont commencé à être organisés à Paris, à Bruxelles, un peu partout, eh bien Kwame Nkrumah en 53 et en 58 a tenu les premiers congrès panafricanistes en Afrique après 1945. Donc jusqu'en 1945, c'était en Europe que ça se tenait, mais Kwame Nkrumah en a tenu ici. Et il a été le premier à organiser la rencontre des premiers États indépendants. Et il a tissé une alliance avec euh, la Guinée. Il a tenté un regroupement avec euh, le Mali. Et donc tout cela était dans la droite ligne de ce qu'il considérait être quelque chose d'important, l'unité. Pour lui, l'unité du continent était primordiale. Et il fallait que les différents États conquièrent leur indépendance et c'était le préalable pour que dans un deuxième temps, ils constituent un ensemble regroupé. Et donc cette idée-là aujourd'hui fait son bonhomme de chemin parce qu'on trouve que c'est effectivement ce qui a manqué au continent. On peut citer euh, le cas de Gamal Abdel Nasser qui a été aussi une grande figure euh, panafricaniste parce que il a montré l'exemple, la nationalisation du canal de Suez, l'effort pour bâtir euh, une alliance avec l'Irak alimenter un courant de lutte en faveur de la Palestine. Et vous savez qu'il a même tenté une guerre avec Israël qu'il avait perdue. Et depuis lors, on peut dire qu'il a sémé les germes d'une vision, d'un rapprochement entre le monde arabe et le monde africain. Parce que l'Égypte est le carrefour, effectivement, de... C'est un pays qui est à la fois africain et arabe. Donc, euh, on peut ajouter le cas de Lumumba, qui a aussi exercé une influence euh, très grande en Afrique, notamment dans le, Congo. Lumumba n'a duré que de juin à, à septembre, mais son intransigeance, sa générosité, son souci de, de, la grandeur du Congo ont marqué et continuent de marquer encore euh, le continent africain. Et je me souviens que une des rencontres qu'on a organisées euh, avec euh, un certain nombre d'organisations à Caracas, une des questions qui revenait, c'est à qui pouvait-on comparer la grande figure légendaire de l'Amérique latine, Simon Bolivar, qui est l'équivalent de Simon Bolivar en Afrique. Alors pour les, pour les Vénézuéliens, euh, la personne qui correspond à Simon Bolivar, c'est Lumumba, Patrice Lumumba. Donc pour eux, c'est un peu la grande figure. Donc on peut citer euh, pêle-mêle euh, ces, personnalités. On peut citer Kadhafi qui a mis tout en œuvre pour que l'Afrique se dote d'une banque centrale africaine, d'une monnaie commune africaine, d'un fonds monétaire africain, pour qu'il y ait une Afrique indépendante. Donc si vous voulez, toutes ces personnes, d'une façon ou d'une autre, c'est le cas de Sankara aussi, ont mené des combats pour la libération, pour une Afrique libre et indépendante pour que les peuples africains puissent avoir, puissent retrouver l'initiative historique et pour que ces peuples-là puissent euh, avoir droit au chapitre et construire une Afrique débarrassée du colonialisme, euh, du néocolonialisme et de la domination impérialiste. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire. On pourrait ajouter euh, sur le plan local. À côté, de chez nous, au Burkina, Thomas Sankara, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les actes posés par Nkrumah, Cheikh oui, C'est la continuation. Sankara est d'une génération après. C'est la continuation des œuvres de ces grands hommes. Parce qu'après les indépendances, si vous constatez, surtout dans l'espace francophone, les indépendances ont consacré une sorte de défaite de ce mouvement panafricaniste, révolutionnaire, etc. Parce que la plupart des dirigeants qui sont venus au pouvoir sont des dirigeants qui étaient plutôt favorables au maintien des relations de domination, de dépendance avec l'Occident. Et donc, si vous voulez, l'arrivée de Sankara, c'est comme euh, un coup de tonnerre un ciel serein. Alors, ça a réveillé, ça a montré que, en réalité, ces rêves de Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Sekou Touré, ces rêves là est encore d'actualité. Et voilà qu'un jeune, un jeune capitaine, veut le porter dans un des pays les plus pauvres de l'Afrique, ce qui est encore euh, une façon de dire que même quand on est le pays le plus pauvre de l'Afrique, on peut exporter, on peut transformer, on peut arriver à modifier les rapports de force qui sont extrêmement inégalitaires avec les forces de la domination. Et donc c'est ça la, la comparaison. Sankara prolonge euh, le même combat dans un contexte différent, dans un contexte où euh, les premiers ont quasiment échoué, si l'on peut dire, et on a vu l'Afrique euh, dirigée par des valets, en quelque sorte, par des gens acquis à la domination étrangère. Et voilà, donc, euh, subitement, on retrouve Sankara. Voilà qu'on retrouve euh, Kadhafi, parce que c'est à peu près la même chose. Kadhafi aussi remet à l'ordre du jour ce qui commençait à s'essouffler. Et donc, voilà ce qui est en train de se passer. Alors, il faut espérer que ce relais-là va trouver encore des continuateurs avec une nouvelle génération. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, avec Kadhafi. C'est des nouvelles générations qui sont venues après ceux qui ont conduit les pays à l'indépendance. Maman Sani Adamou, les combats qu'ils ont menés sont-ils utiles aujourd'hui ou bien le seront plus tard Mais les combats sont déjà utiles parce que euh, tout ce qu'ils ont posé comme problématique euh, est encore d'actualité. Euh, ils ont montré la voie, ils ont montré que on ne peut pas entreprendre sans idéologie. Ils ont montré que une société a besoin de rêves quelque chose pour pouvoir avancer. Et eux, ils ont pu formuler un rêve de liberté, d'indépendance, de grandeur. Mais vous voyez que depuis que nos dirigeants ne font que de l'épicerie, la gestion au quotidien. Euh, bon, les peuples eux-mêmes sont devenus apathiques, euh, sous-cultivés politiquement, et donc on ne peut pas faire de grandes choses avec ça. Et donc une des premières choses que l'on peut tirer euh, de ce qu'ils nous ont enseigné, c'est le rêve de grandeur, le rêve d'unité, le sacrifice pour la cause des peuples et vous remarquerez que tous ont le même dénominateur commun. Ils sont d'une simplicité extrême. Tous sont d'une générosité. Tous ont été capables de sacrifice. Et tous sont morts quasiment dans le déniement. Ça veut dire que euh, c'est tout le contraire de ceux qui s'acharnent à accumuler des biens, à détourner des fonds publics, à faire, euh, à amasser des fortunes. Ça, ça ne correspond pas à l'idéal euh, panafricaniste révolutionnaire. Donc, c'est plutôt les gens qui sont à la solde de, de la domination occidentale. Donc, s'il y a une interpellation forte, c'est d'abord celle-là. Se sacrifier pour son peuple, servir son peuple et non pas se servir. Et euh, le rêve de grandeur, le rêve d'unité, et ça c'est très important. Aujourd'hui, on ne rêve plus, on est incapable de faire sortir l'enthousiasme du peuple. Alors vous voyez bien que c'est une Afrique apathique que nous avons, là où les rêves de Sankara, les rêves de, Kadhafi, etc., ont soulevé l'enthousiasme des populations. Abdoulaye Moumouni, Ahmed Touré, est une icône du panafricanisme pour les uns, autocrate, paranoïaque et sanguinaire pour les autres. Pourquoi alors ce dirigeant est une référence pour vous au point de présider un club portant son nom ici au Niger Merci Mokhtar et merci au studio Kalango pour l'opportunité que vous nous offrez de venir parler des grands hommes de l'histoire du continent africain. Ahmed Sekou Touré, c'est vrai, c'est le club Ahmed Sekou Touré mais ce club cultive la valeur des pionniers du panafricanisme. En parlant de ces pionniers, je suis très surpris au Niger quand on parle de panafricaniste, on oublie Jubo Bakari. Pourtant, c'était un grand homme. Maman Adamou a évoqué son nom tout de suite. Ça m'a fait beaucoup plaisir si mon aîné, contrairement à beaucoup d'intellectuels nigériens, a fait cas de Jubo Bakari, qui, malheureusement, à cause de son engagement politique, a vu son histoire carrément effacer des livres d'histoire de ce pays. Les gens n'en parlent pas. Les générations présentes ignorent le combat qu'ils avaient mené pour la dignité de l'homme nigérien, de l'homme africain. Revenons à Ahmed Sekou Ahmed Sekou comme la plupart des pionniers, avait une valeur ajoutée qui nous manque aujourd'hui. C'est leur croyance au continent africain, leur foi que l'homme africain peut surmonter les plus grands défis. Aujourd'hui, notre génération et nos aînés attendent tout de l'Occident, pensent que notre continent ne peut se construire qu'en tendant la main aux autres. Alors, si vous lisez les, ouvrages du président Ahmed Touré, il a toujours dit, une parenthèse, le Zéléka, qui était mm. signé avant-hier au mm. Niger, mm. dans le tome 3 de mémoires de Ahmed il en a parlé. L'Afrique est un continent qui recèle toutes les matières premières possibles sur Terre. Mais qui s'enrichissent, c'est l'Occident. Alors que nous pouvons les transformer sur place, nous pouvons spécialiser nos États. Aujourd'hui, le Niger, nous importons les riz, d'où de l'Asie. Alors qu'il suffit de nous dire, à ah, l'Afrique centrale, par exemple, peut-être la partie du continent où on fait la culture du riz. Pour manger du riz, on va manger africain. Le, Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'igname. Ici, nous avons l'uranium. Mettre en synergie toutes nos, euh, ressources pour développer notre continent. En 1960 déjà, ils l'ont vu, ils l'ont, ils l'ont pensé, ils l'ont écrit. Mais malheureusement, on ne les a pas laissés faire. On les a traités de tous les mots. Vous avez parlé, c'est Ahmed Touré, on parle de lui comme étant sanguinaire. Mais il est obligé d'être sanguinaire quelquefois. Quand tu as la foi à ton peuple et que tu vois ce peuple est constamment manipulé par l'Occident, quelquefois tu es obligé d'avoir la main lourde. Donc c'est nécessaire pour gouverner Quelquefois. Il a toujours dit entre le droit de l'homme et le droit du peuple, il choisit le droit du peuple. Le droit de l'homme, pour lui, est un concept occidental pour semer la pagaille dans nos, nos États. Pourquoi ne pas piétiner les droits de quelques individus pour la survie de la majorité Et même en Occident, qui te dit que leurs droits de l'homme, ils les respectent comme ça c'est doit. En France, il faut aller voir ce, euh, ce, qu'ils en font. Avant-hier, en France, un Africain a été lâchement assassiné parce que tout simplement, ce monsieur a osé. Oui, c'est que les gens n'ont pas compris. Il faut, il faut chercher les audios de ce professeur qui, qui, prêchait le panafricanisme, qui contestait la même mise de la France sur nos richesses. 48 heures après, il se trouve assassiné. On dit non, le monsieur est malade. selon vous, il a été assassiné à cause de ses idées. À cause de ses idées. Mais comme nos États continuent à être soumis, personne n'ose se lever et faire le rapprochement entre la dernière conférence qu'il avait animée et son assassinat par un soi-disant attardé mental. il faut, il faut qu'on ait le courage en Afrique de relever la tête et de se dire, une fois unis, l'Afrique est une puissance. On peut tout faire. Mais malheureusement, les gens qui en croyaient, voilà, le, grand euh, le, les grands Sani, avec toutes les idées dont il, porte, il, n'y a que vous et certains organes qui, de temps à autre, le consultent pour ses idées. Alors, ah, Ablaï Moumouni, pourquoi Ahmed Sekou Touré est une référence pour vous Ahmed Sekou Touré est une référence pour nous pour trois raisons. Ahmed Sekou Touré symbolise la résistance contre le colonialisme. Parce qu'il a dit non en 58. Avant même de dire non en 58, en 1939, déjà, Ahmed Sékou Touré, qui n'avait à ce moment que 14 ans en classe de CM2, a commencé à dire non à la France. L'anecdote, il était en classe un mardi, il y a eu cours d'histoire où il a été dit Napoléon est un grand homme qui a contribué à civiliser l'humanité. Ils ont fait le parallèle pour dire non, Almami Samori Touré, son grand-père, son grand-père est un roi sanguinaire qui plonge l'Afrique dans l'obscurité. Enfin, voilà la leçon. Une semaine après, le mardi, leçon de morale, ne mentez pas, Mentir est un péché. Ne mentez pas pour faire plaisir à autrui. Le soir, on lui demande de réciter la leçon. Un élève du CMD, il avait refusé. Le maître blanc lui a posé la question pourquoi tu ne veux pas réciter Il n'a pas appris tes leçons. oui, j'ai mais ce matin, monsieur, vous nous avez enseigné de ne pas mentir. Mais ce que contient la leçon, pour moi, est une forme de mensonge. la révolution a commencé là-bas La révolution a commencé avec Ahmed Sékou Touré à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. Et toute sa vie, Ahmed Sékou Touré a résisté contre l'injustice du colon blanc. Première raison. Deuxième raison, Dr Bounti et M. Mamassane l'ont souligné. Nkrumah, dans sa vision, a décidé de faire de l'Afrique une fédération. L'une des premières personnes à croire à la vision de Nkourma, c'était Ahmed Sekou Touré. Et il a écrit, dit non, pour l'Afrique de l'Ouest, le problème ne se pose même pas. Parce que l'Afrique de l'Ouest, quand on prend du 14e au 18e siècle, c'était trois empires. L'empire Mandingue, l'empire euh, du Ghana et les Canins Borno. Voilà l'Afrique de l'Ouest. Le blanc est venu, ces trois empires, ils les ont morcelés en 15 États. Donc, il est plus facile de reconstituer la fédération ouest-africaine d'abord à travers ces trois empires et d'aller vers une unité africaine avec les autres régions du continent. Donc, il croient profondément à la Fédération africaine et nous, nous en croyons aussi que c'est la seule issue pour nous aujourd'hui pour faire développer ce pays. Troisième raison, vous savez, à partir de 58, quand les Blancs ont, même les fils électriques, ils ont arraché, de la Guinée, Ce que Touré a fait appel à tous les intellectuels africains. Parmi eux, je peux vous citer au moins quatre Nigériens qui ont positivement contribué à la reconstruction de la Guinée. Le professeur Abdoumoumouni Diofo, vous avez Dandu Kodan Kolodo, l'actuel sultan de Dosso, Jibo Bakari, pour ne citer que ces quatre-là. Donc, il a fait appel à tous les intellectuels africains. La Guinée, il faut prendre jusqu'à aujourd'hui l'hymne de la Guinée est une hymne panafricaniste. Docteur Buntigallo, comment perpétuer les valeurs et les idéaux de toutes ces figures emblématiques africaines, vous qui êtes enseignant Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'enseigner l'histoire de l'Afrique aux Africains. Au lieu d'enseigner l'histoire de l'Occident aux Africains, il faudrait que nous repartions donc dans notre passé pour essayer donc de le revisiter et le porter donc à la connaissance des générations à venir. Il n'y a pas d'autre solution que cela. aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une crise de leadership au niveau des chefs d'État africains. Pourquoi Parce que justement, dès que les gens sont élus, ils ne se réfèrent plus aux valeurs africaines, mais ils se réfèrent à des valeurs occidentales. Vous voyez que certains deviennent même plus élevés que les occidentaux dans la recherche d'un certain ou dans la mise en place d'un certain nombre de valeurs. Et je pense que euh, on ne peut pas être africain et ignorer son histoire et penser que en ignorant son histoire, on peut bâtir quelque chose de solide. Tous les peuples qui ont pu réaliser de grandes choses ont d'abord revisité le passé. Quand par exemple, vous parlez de la, les gens parlent de la Renaissance, la Renaissance c'est toujours par rapport à quelque chose. Vous savez que en Italie, euh, au Moyen Âge, quand eux ils ont parlé de Renaissance, c'est par rapport à la Rome antique qu'on considère comme étant un idéal, et c'est cet idéal-là qu'on cherche à imiter en Italie pendant le Moyen Âge, qui a, euh, lorsque le mouvement de la Renaissance a été déclenchée. Donc je me dis qu'il faudrait d'abord que nous connaissions notre passé à travers les historiens, à travers les enseignants, à travers l'école. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous serons galvanisés, nous serons à même de construire, de bâtir quelque chose de solide. Si nous ne passons pas par l'école, je ne vois pas par quels moyens nous pouvons donc euh, perpétuer les idées de ces grands hommes. Docteur Buntigello, sur l'histoire politique du Niger depuis le référendum de 1958, quels sont les leaders et dirigeants qui ont posé des, actes dont on peut s'inspirer aujourd'hui dans la marche du Niger Dans le cas du nationalisme nigérien, je pense que le cas de Jibo Bakary est emblématique. Jibo est incontournable. Il a fait mettre une conscience chez les Africains. Vous savez que lui, il aurait pu, il aurait euh, d'aller voter non. Lui était, en tout cas, le fait qu'il ait été en tout cas par les Occidentaux. Bon, vous savez, même ceux-là que nous considérons comme étant des réactionnaires, ils ont posé de grandes valeurs. Moi, je pense que, sincèrement, quel que soit ce que nous pouvons dire du président Jury, il a quand même euh, été le père fondateur du Niger moderne. Imaginez aux indépendances, euh, quand les Occidentaux partaient, on nous dit à laisser que 30 millions de francs, c'est pas le trésor public. C'est avec la volonté et avec euh, l'accompagnement d'un certain nombre de Nigériens et des populations nigériennes il a pu asseoir, il a créé au moins 140 industries en l'espace de 13 ans. Mais vous voyez que après, qu'est-ce qui s'est passé Ceux-là même que nous considérons comme des nationalistes, ils sont venus, ils ont tout saccagé. Et aujourd'hui, vous voyez que même importer une aiguille, pour faire euh, appel à l'extérieur. Même pour euh, nos chaises, les chaises que nous utilisons dans nos bureaux, il faut aller les acheter en Chine et à Dubaï. Alors que sous rue, cela aurait été impossible parce qu'il y avait la Sonipam qui fabriquait des chaises qui étaient plus solides que les chaises actuelles, qui étaient des lits qui étaient plus euh, celui qui le dit actuel. Mais malheureusement, ses héritiers n'ont pas pu perpétuer sa moment et vous savez les conditions dans lesquelles il a été chassé du pouvoir. Donc, moi, je me dis que ces grands hommes-là, ils ont fait leur ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est à nous, là, d'essayer, en tout cas, dans la mesure de, nos possibilités, en fonction des postes que nous occupons, enseignants, journalistes, machin, rappeler. Il ne faut pas cesser de rappeler aux, jeunes, aux, jeunes, aux et peut-être aux générations à venir ce que ces grands hommes-là ont fait pour l'Afrique et ce que l'Afrique peut espérer. moi, je suis pas il n'y a pas de fatalité. L'Afrique n'est pas là pour être la dernière des continents. L'Afrique va pouvoir progresser. Je pense que si on galvanise notre jeunesse, cette jeunesse-là est capable de faire de grandes choses. Donc, il faudrait que cette jeunesse s'inspire de la volonté, de la détermination, du panafricanisme, du nationalisme, de l'amour de l'Afrique, de ceux qui nous ont dévancés pour essayer donc de construire quelque chose de suivi. Je pense que c'est cela, en tout cas, moi, mon vœu. Et je pense qu'il n'y a pas 10 000 voies, il n'y a que cette voie-là pour que mission, euh, en tout pour une conscience africaine et surtout l'amour de l'Afrique pour bâtir celle de l'Afrique future. Selon vous, docteur Buntigallo, une autre Afrique meilleure est possible Moi, je ne désespère pas. Hein. Vous savez, pour le moment, tous les peuples ont connu des, des, moments de faiblesse, en tout cas où souvent on ne sait même plus où on va. Notre chance, c'est que nous sommes dans un monde qui est un monde globalisé. <laughs> Aujourd'hui, ce qui se passe au Niger est une suite à l'extérieur. Bon, oui, il y a des petites contraintes aujourd'hui liées à l'insécurité, mais je reste persuadé que nous allons surpasser, surmonter ces choses-là. Et moi, je reste persuadé que l'avenir de l'Afrique est un avenir somptueux. Même avec des dirigeants qui n'ont peut-être pas l'amour du pays, ils vont finir par se rendre compte que quand les jeunes, les femmes, les hommes, les populations sont en train de s'activer pour aller vers l'unité africaine, je pense qu'ils seront obligés d'accompagner le mouvement. Regardez les Japonais. Ce ne sont pas les élites japonaises qui ont mis euh, le, Japon sur orbite. Pendant que les gens, les kamikazes, les samouraïs se battaient, c'est le bas peuple qui a décidé que vraiment, voilà, il faut sortir de l'ornière. Et maintenant, après, les politiques ont récupéré. Je me dis qu'il ne faut pas désespérer. Si nous désespérons, sont de vivre. Non, on l'espoir que l'Afrique sera meilleure demain. Maman Sani Adamou, aujourd'hui, pensez-vous que les dirigeants de l'Afrique peuvent réussir en s'inspirant de telle ou telle autre ancienne figure même l'idéal panafricaniste euh, est vécu ou est perçu différemment. Il y a plusieurs variantes ou conceptions du panafricanisme, mais le panafricanisme euh, révolutionnaire, euh, c'est le panafricanisme que les Lumumba, les Nkrumah, Sankara, ils sont en train de vulgariser ou ont vulgarisé sur le continent. Alors, les dirigeants africains aujourd'hui sont, disons, marquent le pas. Ils sont, ils sont à 10, à lieues de, des exigences du moment parce que le continent a connu l'espoir suscité par ces grands hommes. Ils ont tous euh, été soit assassinés, soit renversés. Et puis d'autres dirigeants sont venus, euh, plus conciliants avec euh, les Occidentaux. Et on a vu le résultat, c'est que le continent est en crise. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à décoller. Il n'y a pas le développement, simplement parce qu'il n'y a pas l'indépendance. Et donc, on revient à la case départ. comment obtenir l'indépendance véritable Lorsque on n'est plus prompt à célébrer la francophonie, lorsque nous abandonnons nos propres langues, lorsque nous ne sommes pas convaincus que nous devons aller vers une monnaie unique, se débarrasser de la tutelle de, la France pour le cas du CFA, et lorsqu'on n'est pas convaincu que c'est chaque peuple, c'est en revisitant nos valeurs, en triant ce qui nous permet d'avancer et en prenant chez les autres ce qui peut accélérer notre marche en avant que nous pouvons retrouver le fil de la grandeur antérieure, de la grandeur de l'Égypte ancienne, euh, le rayonnement et la grandeur de l'Égypte ancienne, le rayonnement et la grandeur des grands empires africains. Euh, c'est seulement à ce prix-là. Or, pour le moment, c'est beaucoup plus les peuples qui portent le projet panafricain que les dirigeants. C'est vrai, de temps en temps, ils sont obligés sous la pression des peuples, de, de faire des pas en avant, mais on remarquera toujours qu'il y a toujours des ambiguïtés. Euh, la monnaie unique d'Afrique de l'Ouest, c'est ambigu. Pour les uns, il s'agit en fait d'un habillage, c'est-à-dire de remplacer le mot CFA par éco, mais de continuer à avoir une monnaie euh, dirigée, c'est-à-dire par la France. Pour les autres, il s'agit de quelque chose de totalement nouveau, de radicalement nouveau, et qui exprime la volonté des pays de l'Afrique de l'Ouest de se prendre en charge. Pour la ZLK, c'est la même chose. Le marché commun euh, africain, la zone de libre-échange, il y a la même ambiguïté. On pense que cela est possible sous le libéralisme. Mais en même temps, on ne pose pas de questionnement. Parce que, en même temps que les États africains disent qu'il faut une zone de libre-échange, donc il faut un marché commun, il faut supprimer les barrières tarifaires, les barrières douanières, mais en même temps, ils ne disent pas mot des accords de partenariat que nous avons avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils deviennent Si les accords de partenariat avec l'Union européenne, qui sont des accords verticaux, persistent, en fait, les accords horizontaux qu'on veut promouvoir entre les pays africains n'ont plus de sens. Ils garantiront tout simplement un marché unique aux productions occidentales. Donc il y a cette ambiguïté et il faut les débats pour ça. Il faut les débats pour que les gens perçoivent les nuances et les, différences, les divergences qu'il y a entre les gens qui parlent du panafricanisme, les gens qui parlent de l'unité africaine, les gens qui parlent de l'intégration. Il y a des ambiguïtés. Il y a encore des gens qui continuent à ramer à contre-courant, qui continuent à jouer, à vouloir s'aborder les initiatives que les peuples prennent et qui sont dans le sens de l'histoire. Donc il y a des gens qui rament à compte courant de ça. Et il est bon que cet aspect de la question soit mentionné. On ne peut pas se libérer si on ne questionne pas, ne dénonce pas les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, entre l'Union européenne et l'Afrique centrale, entre l'Union européenne et l'Afrique de, de l'Est, entre l'Union européenne et l'Afrique australe, etc. Si vous ne dénoncez pas ça, on ne voit pas ce que la zone de libre-échange veut dire. Il faut la nuance, il faut enseigner l'histoire et il faut aussi la pédagogie de l'exemple. Parce que si les intellectuels, et c'est là leur rôle, s'ils sont convaincus de ce qui est en train de se faire, il faut qu'ils assument leurs responsabilités et toutes leurs responsabilités. Or, très souvent, le débat manque, la responsabilité manque et progressivement, vous voyez un système éducatif euh, qui fait que des gens sortent de notre système éducatif et n'aiment pas leur pays c'est quand même inadmissible que, au, sortir d'un cursus scolaire, vous soyez prompt à servir l'extérieur plutôt que votre propre peuple. Et ça, ça c'est un questionnement qu'il faut faire. Quel modèle éducatif pour la transformation de l'Afrique Parce qu'avec ce système-là, on ne peut pas transformer l'Afrique. Abdoulaye Moumouni, que fait votre club au Niger ou ailleurs pour apporter des changements tirés de l'époque Sékou Touré D'abord, c'est l'édition des mémoires du président Ahmed Touré, que nous mettons gracieusement à la disposition du public au niveau des établissements scolaires et dans les bibliothèques gracieusement. C'est le parrainage euh, des émissions sur la vie d'Ahmed Sekou Touré et de certains leaders africains. Présentement, nous sommes en train de faire la promotion de la vision d'un chef d'État qui est encore en exercice, Paul Kagame. Pour nous, on ne doit pas avoir un seul Paul Kagame en Afrique on doit avoir 54 Paul Kagame en Afrique. Voilà un État qui, à peine sorti d'une période trouble de son histoire, qui a su renaître. La vraie renaissance, ça se passe au Rwanda. Aujourd'hui, Kagame a fait la promesse que d'ici 2021, les Africains n'auront plus besoin d'aller en Occident se former. Parce qu'au Rwanda, c'est le meilleur cursus français passé passer au Rwanda. Et pour les Africains, nous n'aurons pas besoin de visa pour aller faire le troisième cycle. Il faut voir comment la médecine est développée au Rwanda. Il faut voir. C'est vrai, certains diront qu'il est autoritaire, mais au moins, il résiste à l'impérialisme. Il améliore le quotidien de ses concitoyens. Et aujourd'hui, le Rwanda est un État émergent. Abdel Moumouni, à côté euh, de toutes ces figures-là, il y avait aussi des hommes de lettres, de culture, des artistes. Euh, Moumassani et Dr Bontigallo l'ont rappelé. Quels sont ceux dont les discours ou les œuvres peuvent pousser les Africains à travailler pour être maîtres de leur destin Moi, le, euh, professeur de euh, et Maman Sani ont parlé d'enseigner. Moi, je dirais, il faut réécrire l'histoire de l'Afrique. Parce que jusqu'à présent, l'histoire enseignée dans nos établissements est écrite par des Occidentaux. L'histoire, notre propre histoire, nous est contée par d'autres. Et il y a un proverbe qui dit, tant que c'est le chasseur qui écrit l'histoire, on ne verra jamais le rôle joué par le lion dans la forêt. Donc, Jusqu'à présent, si c'est euh, l'UNESCO qui a fait un effort à travers l'histoire générale de l'Afrique avec euh, le professeur Kizergo, Kizerbo, qui n'a pas fini euh, cet homme avant de nous quitter, de nous quitter, cet effort de réécrire de l'histoire de l'Afrique reste à faire. Ne partons pas loin, même ici au Niger, l'histoire du Niger il faut réécrire cette histoire parce qu'il y a beaucoup de non-dits. C'est pas tout le monde qui a accès aux archives pour aller faire des travaux des recherches. Je vous donne un exemple. L'éducation en Afrique écrit par le professeur eh, Yofo. Vous l'avez une fois vu Pourtant, c'est un livre de référence. Moi, la première fois que j'ai vu ce livre, je l'ai vu chez le professeur, euh, chez le président Ahmed Sekou dans son salon. J'ai dit, mais Abdou Moumoun a écrit un livre aussi l'éducation en Afrique. Dans les bibliothèques nigériennes, vous ne trouverez pas cet ouvrage. Donc, avant d'enseigner, il faut réécrire d'abord l'histoire du continent africain et l'histoire du Niger. Maman Sanya Damou, quels sont vos conseils, recommandations ou souhaits pour l'avenir de l'Afrique et des Africains L'avenir de l'Afrique et des Africains est entre les mains des Africains. Il y a une histoire, nous avons une histoire, il faut la revisiter nous avons des grands hommes qui ont porté un projet, un projet de grandeur pour le continent. Il est bon que les jeunes générations connaissent ce projet, connaissent ces hommes-là, connaissent les sacrifices qu'ils ont faits. Et en particulier pour le cas de notre pays, il est bon que les gens connaissent ce que le Sawaba a fait comme euh, combat pour la liberté, qu'est-ce qui l'a motivé, Qu'est-ce qui s'est passé Et cette histoire-là, tant que nous ne la diffusons pas, nous ne la portons pas à la connaissance des, jeunes générations, il est difficile que nous nous réconcilions avec notre histoire, notre passé. Et donc, il faut aller vers dans cette direction, produire, expliquer, débattre, réécrire et pousser. Parce que en poussant vers le bas, le mouvement du bas vers le haut, on a les chances d'aboutir. Parce que, en fait, les élites sont en retard sur les peuples. Les peuples africains sont intégrés. Combien de nos compatriotes sont à l'extérieur Quels papiers ils ont Comment ils se sont débrouillés Est-ce qu'ils ont attendu de savoir s'il existe tel texte ou tel texte avant ce... Non, ils ont ignoré ces frontières, ils sont partis, ils se sont installés, ils ont vécu en bonne intelligence avec d'autres populations. Et donc ça, euh, ça montre que les peuples, eux, n'ont pas attendu. C'est les élites qui doivent prendre le relais, qui doivent enregistrer ce désir d'unité du continent et qui doivent répertorier à travers les débats les obstacles pour aller vers l'unité. Et ces obstacles-là, c'est la domination étrangère, c'est les obstacles-là, c'est le fait que nous refusons que l'indépendance soit un préalable, même du point de vue de, l'Union africaine. Les gens qui pensent qu'il faut que les Africains disposent d'une force armée unique n'ont pas eu tous les cours nécessaires. C'est-à-dire que les mêmes ambiguïtés reprennent. On parle de panafricanisme, mais il faut savoir qu'il y en a dont, pour le moment, les intérêts ne coïncident pas avec cette volonté et il appartient au peuple d'avancer et d'obliger ceux qui rament à contre-courant à aller dans le sens du courant ou aller à être euh, dans la poubelle de l'histoire. Euh, il n'y a pas d'autre choix. C'est en ce moment seulement que nous pourrons aller de l'avant. Mais tant que nous, nous privilégierons les intérêts de l'Occident, ce qui n'est pas possible. Et il y a cinq domaines dans lesquels il nous faut travailler. Le domaine des armes, c'est-à-dire que de la sécurité, de la défense du continent. Il faut absolument qu'on cesse d'être simplement des consommateurs des armes, qu'on cesse de, se s'étriper pour un oui ou pour un non et qu'on développe une culture de dialogue entre les États pour résoudre nos problèmes, de façon à ce que les ressources que nous avons, nous puissions disposer d'une stratégie, d'un concept stratégique africain pour notre défense. Il s'agit de la technologie qu'il nous faut maîtriser et il faut aller à ailleurs la chercher. Parce que dès que vous voulez maîtriser des domaines de technologie aujourd'hui, vous serez en conflit avec les forces euh, de la domination, les forces impérialistes. Euh, vous avez communication et les médias. Il nous faut des médias qui disent ce que nous sommes, qui disent ce que nous faisons et qui le disent à notre peuple et qu'on ne se contente pas de reproduire les dépêches des agences internationales qui sont toujours euh, insidieusement des choses que nous véhiculons sans trop souvent savoir que nous faisons le jeu des autres. Parce que le plus souvent, nous reprenons une intoxication. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses et qui ont servi. C'est le cas pour assassiner Kadhafi, on a dit qu'il a réprimé une manifestation. Deux ONG françaises sont parties investiguer en Tripoli. Elles ont trouvé qu'il ne s'est rien produit. Pour pouvoir faire l'opération Serval au Mali, on a dit qu'il y avait une colonne de 200 camions qui convergeait vers Bamako. L'association Survie, qui est une ONG qui se bat contre la France-Afrique pour des rapports égalitaires entre la France et l'Afrique, a enquêté sur place et un des commandants des forces euh, présentes au Mali, des forces françaises au Mali, a dit qu'il s'agissait d'une manœuvre médiatique. Ça veut dire que la colonne n'a pas existé, mais l'objectif c'était d'obtenir que le gouvernement malien accepte d'écrire comme quoi il veut l'intervention de la force française et à peine la il dit que le lendemain, les forces françaises sont intervenues, ça veut dire déjà que le projet était là en bonne et due forme. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le domaine des médias et de la communication, où l'Afrique doit avoir sa propre façon de dire, de voir les choses et le transmettre à ses populations. Dans le domaine euh, des ressources naturelles, euh, là aussi un combat doit être mené pour que nous soyons maîtres de nos ressources naturelles. Ça ne sert à rien de continuer à, utiliser de l'uranium quand vous ne pouvez pas le transformer. On a de l'uranium qu'on vend, mais on ne peut même pas alimenter une centrale nucléaire. Même pour produire de l'énergie nucléaire, on ne peut pas. Donc, si on ne peut pas l'enrichir, si on n'a pas de technologie pour faire ça, à quoi ça sert de sortir de l'or, du machin, quand vous ne le transformez pas Il y a un début timide de transformation du pétrole, mais c'est toute la gamme qu'il faut ça. Et ça, ça doit être au profit d'un projet souverain. Donc, les armes, la sécurité, les, les médias, la communication, la technologie, les ressources naturelles, tout ça, ce sont des domaines, si on ne fait pas des efforts pour être autonome, le concept d'indépendance du continent va continuer à être un concept creux. Et donc, dans chacun de ces domaines-là, si nous faisons des efforts, nous serons en conflit avec des forces. Et il est bon que les Africains sachent identifier avec qui on peut cheminer et avec qui on ne peut pas cheminer parce que nous avons notre vision de ce que doit être l'Afrique, de la contribution que l'Afrique doit réaliser pour façonner le destin de l'humanité. Et c'est en fonction des intérêts de l'Afrique que nous devons savoir si nous pouvons être avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec l'Europe, ou un conflit avec ces pays-là. Or, pour le moment, nous sommes écartelés. Aujourd'hui, la France nous convoque, sommet France-Afrique. On accourt, alors que c'est des puissances en déclin. Mais peu importe, c'est sur nous qu'elle compte pour se relever, mais c'est nous qui accourons à chaque fois, sommet France-Afrique, francophonie, etc. C'est toujours les autres qui organisent des sommets avec l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas sa propre vision, l'Afrique n'a pas ses propres projets en fonction duquel elle doit être en relation ou en, en mauvaise relation ou en bonne intelligence avec des pays extérieurs ou non. Donc il est bon que le projet panafricain de grandeur, de responsabilité du continent dans le façonnement du destin du monde soit réapproprié par les jeunes générations. Et c'est à ce rythme-là, à ce prix-là seulement, que nous aurons fait œuvre utile si nous contribuons à faire des percées dans ces cinq domaines. Dans sa lutte pour sortir du joug du colonialisme et de l'oppression, le continent africain a connu des grands hommes, des hommes acharnés et déterminés qui ont cru jusqu'à leur dernier souffle à une une Afrique meilleure, libre et unie. Bien que la majorité de ces hommes ont connu des fins atroces, juste à cause de leur idéologie, leurs œuvres et souvenirs restent gravés dans la mémoire des Africains. Et nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maman Sani Adamou, président de l'ORDN Tarmamoua et Alter Mondialiste. Au téléphone, nous avons eu Dr bounti Diallo, philosophe et enseignant-chercheur à l'université de Niamey, et Abdoulaye Moumouni, juriste et président national du club Ahmed Sekoutouré au Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Istudio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.